zamu saka shirin duka mu haɗu fada da studio Kalangu take shirya ma duka matasan Niger. Dans la fada d'aujourd'hui, nous allons parler de l'aventure après bac. Ça y est, on a le bac en poche et de grosses points d'interrogation s'enchaînent. Quelle filière choisir Comment s'y prendre Quels sont les pièges à éviter C'est vrai pour certains, dans mon sens, bayan bakin su, ina ne za su kuma cikin wata jami'a ce za su tafiya. Amma pour d'autres, c'est un vrai casse-tête. Ba su san ba inda za su bi, ina za su wa Pour parler justement de la problématique problématique du choix des filières après le bac tare da ɗaliban da suke tare da mu muna so mu tattauna bisa kan zaben su da suka yi wannan zaben wannan neman jami'a da suke nan gayi ne suke son su bayan wannan bakin nasu kuma wani irin matsaloli ne suke fuskanta tare da mu muna da Abdul Karim Asumi il est étudiant en, en Chine ça va tu vas bien super et nous avons Mohamedine Salissou Ango il gère le Kosvarta Kosvarta voilà c'est la coordination des structures de vacances de la région de d'Ottawa ça va, Mohamedine Tu vas bien Ok, et Tawa Tout se passe bien là-bas Nous avons Monsieur Omar Saleh comme troisième invité. Il est de l'agence nigérienne des allocations et des bourses ANAB. Bonjour, vous allez bien Comme d'hab, nous aurons des témoignages, plein de questions d'auditeurs, la chronique, cette fois-ci avec la Miss Rookie et nos incontournables pauses musicales. aujourd'hui, je vous explique un truc. <laughs> Nous avons tout installé dans le siège même de l'ANAB. Mais comme l'ANAB est bien en bourse et que ça peut chauffer à tout moment, on ne sait jamais. Pour des raisons de sécurité, Nous sommes euh, juste à côté de l'agence nigérienne des allocations et des bourses. À cette période, c'est plein de petites fadas qui s'installent à l'anab est-ce qu'on zo kallon tableau d'affichage affichage wasu kuma sun zo renseignement ko kuma déposant dossier kinsu bayan bac de but toute une aventure quelquefois avec le sourire quand on a obtenu son inscription dans son université ou institut de rêve mais d'autres fois c'est une étape chargée de stress matasa da dama shiga neman ba Nous en saurons plus dans ce reportage réalisé par Rukaya. Chaque année, ils sont nombreux les élèves qui réussissent à leur examen du baccalauréat pour passer aux études supérieures. Le problème qui se pose après le bac, eh bien, c'est le choix de la filière à l'université ou dans un institut supérieur. Ce choix est un véritable casse-tête pour la plupart des bacheliers. Omar et Rahila ont obtenu leur bac respectivement en 2010 et 2013 et se souviennent de cette période difficile. Et nous, l'objectif, c'est d'avoir le bac. Du coup, après le bac, ils ne savaient pas quoi faire. Il y a des gens qui ont dit, bon, il faut te renseigner à l'université, il y a plusieurs filières. J'ai juste demandé là où on dépose les dossiers et j'ai entendu le voisin dire inscription euh, et psychologie. Moi aussi, j'ai dit, bon, mettez-moi psychologie. Ça n'a pas marché. J'ai repris l'année après encore, je me suis inscrit et philosophie. J'ai perdu banalement deux ans à cause du choix. Ça a été très difficile. pour Mon premier choix était de faire le droit. Mais mon grand père m'a découragé. Ensuite, j'ai fait le test de l'ENA. Ça n'a pas marché. On m'a proposé de faire un euh, NSP. Comme mon papa lui-même était du domaine de la santé, il m'a dit que c'est saturé, il n'y a plus d'emploi. Bon, c'est à la dernière minute qu'une cousine m'a demandé de faire IFTIC. Je n'avais aucune idée de, de l'école. Je suis partie faire le dépôt de mes dossiers, je passais le test. Contrairement aux autres, le choix d'Ismaël était évident avant même d'avoir le bac. Le choix de la filière pour mon cas n'a pas été difficile parce que depuis euh, que j'étais en classe de, de troisième, je voulais vraiment faire euh, le journalisme. Et après donc euh, l'obtention du bac, je me suis inscrit pour faire le journalisme. Le choix d'une bonne filière en études supérieures est important et mérite mûre réflexion car ce choix détermine la carrière professionnelle ganin Mohamedine, tu viens d'entendre ce reportage. Ça te dit quelque chose, cette situation-là Oui, ça, en tant qu'étudiant, ça, ça, nous interpelle nous tous parce que eh, la, la coordination, nous avons la mission d'avoir principal et pendant les vacances, comment s'organiser, donc d'amener notre contribution à nos petits frères académiques, donc du 6e jusqu'en terminale et aussi même après l'obtention du bac euh, en ce qui concerne l'orientation. Donc euh, là, il faut faire un débat, un travail de base, donc la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème du choix qui, qui, qui est là, qui est évident. Je profite de l'occasion pour dire même après la fête, nous comptons vraiment organiser une caravane pour faire vraiment et euh, tourner de façon générale, pour rencontrer donc les nouveaux bacheliers, ne serait-ce qu'expliquer concrètement voilà, mhm. le système LMD. Parce que nous sommes dans une phase du système LMD, licence, euh, master et doctorat. Il faut qu'ils comprennent bien, il faut qu'ils soient orientés. Euh, Abdul Karim, <laughs> le, le chinois. <laughs> <laughs> Dis-nous, ça te dit quelque chose, ça, cette situation-là Bon, moi, ça m'a jamais touché, mais j'ai vu des camarades qui ont, fait face à ce problème. En Chine, dans certaines universités, je peux prendre l'exemple d'économie. Euh, tu peux voir des étudiants boursiers ou bien privés qui vont s'inscrire pour faire l'économie. On on les mélange avec ceux qui font le commerce, mais après leurs études, c'est un problème parce que tu t'es inscrit pour faire l'économie, mais sur ton diplôme, sur ton diplôme, tu verras que c'est commerce. Monsieur Oumarou, euh, vous êtes de l'ANAB. Vous rencontrez souvent ce genre de cas. Comment ça se passe Vraiment, ce qui m'a beaucoup touché, c'est le fait d'entendre une euh, étudiante là, qui se plaignait de l'orientation. En toute honnêteté, l'ANAB n'oriente pas. Mais quand même, euh, ce que nous avons appris, il y a une direction euh, au, niveau du ministère de l'enseignement supérieur qui essaye en tout cas de voir comment orienter ces étudiants-là. Voilà. Parce que nous, nous, allons, nous avons voulu en tout cas donner une chance à tous les étudiants. Donc, de s'inscrire librement, de ne pas imposer donc un choix à un étudiant. Quand vous avez votre bac, vous êtes libre de vous inscrire là où vous voulez. Voilà. Voilà, question démocratie à euh, euh, mm. Ba a son à la ala tilas sai kayi abu kaza. Alors qu'il y a un bac son shi ok to yanzu kai muhammadin a ganin ku sai eux qui s'y prennent mal ko ko dai wurin da za information ne babu wurin da za a kwatanta musu abin ne babu eh kamar sadar inda matsalar take eh. kamar yanzu eh sensibilisation kamar babu yawan yuratawa suke yanzu ya kamata a ce ecidan par exemple dan lycée le nouveau bachelier irin wannan kenan ya kamata a ce ya de caravane kenan ministar ta instrument superior ya kamata ta ɗauki nauyin karatu mutane su gane miye paske akwai not akwai releve in baka a ka filo nan ka samu kaza turanci nan ka samu tarihi na histoire jugawar ka samu kenan sai a zo ga wadda ta yadda take kaza kaza an function da kaza karayin kowa sai ka gane kenan zaka ishe ka amma inda a bar mutum kawai haka nan a barka ka samu baka na jin daɗi kai dai kawai ka zo university dan ka ga wani example wani ya yi filu kaga can ya shiga siyasa ya zama minister kai maka ce a ah, voilà or enta voilà les facultés par exemple seront facultés ati faculté FSJP mission qui faculté de lettres faculté naoni et faculté de sciences donc des ça, nouveau bashi ne zaki ganin kansu ya bude sun gane deja ba wani matsala eh vont choisir. comme vous le savez tu connais shirin namu na duka mu haɗu fada kuna iya aiko mana tambayoyinku sa tamba pic nous sommes avec euh, la l'anab <laughs> autour de cette table akwai wani me shuraramu ani maman sani da yake a birnin yamai ya aiko mana tambayar shi spécialement pour l'anab mu shurare shi à l'endroit de l'anab pourquoi ils sont en train de tout faire pour décourager les étudiants à aller vers les instituts et écoles privées sachant pertinemment que les écoles-là, c'est pas toutes ces écoles-là qui sont pourries comme eux le pensent. Il y a des écoles qui font bien, il y a des écoles qui ont aujourd'hui dans les grandes boîtes des étudiants qui ont formé et qui sont des managers, des étudiants qui ont formé, qui ont leur propre entreprise et des étudiants qui ont même la chance d'aller ailleurs et continuer leurs études. Avec les diplômes de ces écoles, mais à la nappe, c'est un calvaire. Des fois, quand tu pars à la nappe, on te sort certains trucs, même le ministère n'est pas au courant. Par exemple, les écoles sont dans les système LMD. Tu as ta licence en gestion de ressources humaines, tu veux continuer en gestion de projet, la nappe va dire que non, non, tu n'as pas le droit. Voilà. Vous compliquez les choses. <laughs> Eh, ça, c'est son point de vue. Ah, ah ouais. Et Ok? Et il juge la nappe de loin. apparemment il y a une confusion, Il un dysfonctionnement un dysfonctionnement. harkan uh-huh. information. Information problème information. Parce que nous avons une direction. C'est à cause de cela qu'on a créé une direction de communication. Hein. Et nous avons aussi un service de communication et d'orientation avant. Il y a une direction et plus un service de communication. Je pense que vraiment d'après vous, c'est comme si c'est un peu eux qui s'y prennent mal. Qu'est-ce que penses Moi, ce que je peux dire par rapport à sa question, et hmm. c'est vrai, la NAP, elle est là, sa mission, elle l'avait un peu rappelée, mais aussi, et, en tant que nous sommes, on peut faire des constats. Hmm. Et aujourd'hui, peut-être, euh, nous, les constats qu'on peut faire, peut-être, c'est le fonctionnement ou bien le traitement, parce que les étudiants ont besoin d'avoir un bon traitement. Voilà. C'est le point information. Voilà. C'est le point quand tu viens avec tes préoccupations à la oui. quand tu viens avec une question tambayoyin da kake dorawa irin amsoshin da ake baka bisa kan shi wannan yake nan maintenant comment tu trouves ce service là <laughs> bon matsala ita matsala ai ba bad a zuwa ga mukilkan su aiki sai an samu matsala mm. for example eh, akwai su ma'aikatan wanda for example non pas. ba su da mitor ta approach haka ya za kai peut-être tu expliques à la personne clair là là ça peut concerner à tous les niveaux <laughs> à la labcom quand <laughs> j'étais étudiant. Voilà. Donc nous rappelons aux auditeurs de notre 38 radio partenaires dans toutes les régions du pays de nous envoyer leurs questions. Ils peuvent également recevoir tous nos contenus en s'abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. 54. la c'est aussi un rendez-vous musical. On se retrouve juste après au calme de avez Zainab blague Rebelle. Rebelle. Rebelle, rebelle. Yo, Afrique, ça dit quoi négocier comment De deux, dans la place, ça ne craint pas. Je resterai debout avec le drapeau, que ça te plaise ou pas. miaga, t'es power. On blague pas, on joue pas de fou On s'en bat le cul de vos avis. Ah Parce que je sais que ça ne manque pas. Ah. Arrête de parler et apprends toi Ils sont font de la pluie. vous allez m'accepter, n'en parlons même pas parti, y a pas de cadeau. Tu cherches la guerre, je suis paix pour ça. J'ai grandi dans la haine, je vécu dans la dèche. T'as connu mon parcours, ça sera plus le même. Je suis posé dans le game, on se croise aux aux tard. Je suis posé, je suis posé, je suis posé, je suis posé. Ils m'ont pas vu venir, oh c'est la surprise. Je veux les démolir, je les casse et je les plie. OKLL, 2 de 7, on est OKLL, l au calme. de Zeynab, la rebelle, retour à la Fada où nous parlons de rêves, de carrière et d'ambition de nos nouveaux bacheliers. Nous sommes euh, juste à côté de l'agence nigérienne des allocations et des bourses ANAP. À la FADA aujourd'hui, nous avons Mohamedine Salissou, il est de la coordination des structures de vacances de Tawa. Nous avons Omar Saleh de l'ANAB, Abdul Karim Assoumi, il est il étudie en Chine. <laughs> C'est notre chinois qu'on a aujourd'hui autour de la table voilà, et justement sur cette question de choix de filière, le ministre euh, des enseignements primaires, Daouda Marté, s'est prononcé Nombreux, par exemple, sont les garçons ou les filles qui ont fini leur cycle avec leur diplôme très renflant, Master 1, Master 2 en marketing, Master 2 en commercialisation des entreprises, Master 2 en quoi c'est vrai, c'est des bons diplômes, mais qui ne cadrent pas avec, par exemple, les besoins du pays. Quand on dit Marcel 2 en communication des entreprises, où sont les entreprises du Niger qui vont essayer d'utiliser ces cadres-là Non. C'est-à-dire que c'est la formation doit obéir aux besoins de la société elle-même. Si la formation ne obéit pas aux besoins de la société, quel qu'en soit le diplôme que vous aurez, ça ne servira absolument à rien. Ça veut dire que ce n'est pas, ça ne peut pas vous être utile. Abdelkarim, ministre, <laughs> selon toi. Selon moi. Donc vous cherchez à faire, euh, je sais pas, pas machin truc marine ou quoi, des choses <laughs> qu'on n'a même pas ici Qu'est-ce qui se passe Bon, genre, la question n'est pas, ou bien la réponse n'est pas d'aller faire des études et de, rentrer au pays, tu peux pas travailler. Pourquoi le pays peut pas créer Pourquoi le pays peut pas créer Si j'ai été quelque part pour faire des études, ça veut dire que ça existe. Donc forcément, même si ça va prendre du temps, ils peuvent essayer de créer ou bien ne pas me décourager pour me dire que mon diplôme, je ne peux pas l'utiliser au pays. Un diplôme, par exemple, tu as fait, j'ai fait, disons, le droit. Il n'est pas dit que je dois être juge, avocat ou bien juriste. Je peux l'utiliser presque partout, mais ils n'ont pas le droit de me décourager comme ils viennent de le faire. <laughs> Mais non, mm. c'est pas plus facile comme au début ça a été il y a des fois il y a problème genre pour la bourse il se peut que j'arrive à avoir une bourse, pas la bourse que je veux, la filière que je veux, mais c'est ça qui est disponible. Mm. Donc, tu prends. Prendre ou bien rester ici, chômer, ne pas aller à l'école avec les grèves, quoi faire Ah ouais, là, là. Bon, euh, vous savez, Monsieur Omarou. Euh, on doit dire la vérité. Moi, je partage la même idée que le ministre. Dans un pays là où nous avons besoin d'un développement, on doit songer en tout cas à savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y ait un bon développement. Je un des entreprises. Il a raison. Où sont les entreprises C'est comme quelqu'un de la maison. On sait que nous avons besoin d'un toit. Et tu pars euh, nous acheter des euh, climatiseurs. Mais ce n'est pas le moment. Laissez-nous d'abord construire. Avoir, en, tout cas, d'abord un chien. En ce la pensée donc, à, à la climatisation. Nous, nous n'avons même pas une case et tu vas nous amener un climatiseur. Moi, je vais vendre ça. <laughs> C'est la même chose. Donc, suis euh, gestion des entreprises, comptabilité, même la comptabilité, là, moi, je vois que c'est trop. On a assez, en tout cas, les comptables. Euh, dans un service, on a besoin qu'un seul comptable. Par exemple, ici, à l'ANAB, nous avons un seul comptable. Mais les médecins, jusqu'à présent, on a besoin. Allez-y dans les, euh, dans les hôpitaux, vous allez voir un seul. vraiment, un seul médecin s'occupe de combien de, malades Il y en a vraiment un choix qui est j'ai Un choix, fils Billah. Nous, c'est pour cela, l'ANAB a essayé même, et j'apprécie aussi la décision du ministre. Et l'année passée, il a dit toute filière qui est enseignée au Niger, en tout cas, on n'autorise à personne d'aller s'inscrire ailleurs pour suivre la même formation. Il y en a un filière qui est en Niger. Non, à filière en Niger, mais ça, c'est un donc en dehors d'Ambou kana zuwa waje ka sayo dambu ka ka gida ka rana da dambun da an kai gidanmu ube gaskiya ça c'est c'est une réalité c'est une réalité la maman elle a elle a préparé du dambu et l'enfant doit <laughs> acheter des dambu dambu or kenan ka rana dambun gida tu te moques de notre dambu ouais la même filière là au Burkina Mali Abonga wallahi c'est que les gens se créent je ne sais pas pour dire que euh, ce que j'ai compris de certains hein, l'essentiel qu'on dise que A un tel a étudié <laughs> au Maroc ou bien. c'est le nom du pays qui l'intéresse et non la ah, formation. J'ai une, question, une question pour lui. Je peux augmenter par rapport à l'interview. Vas-y, vas-y. Euh, On t'écoute, Mohamedine. Oui. Oui, voilà. Moi, j'ai une question pour lui. Moi. Vous pouvez réagir. Oui, venez. Venez. Ah, ah zo, zo. Après lui, je. Après lui, sérieux. <laughs> Après lui, ça, c'est pas sérieux. Eh, merci, je veux réagir par rapport à l'intervention de l'agent de la NAP où il a parlé de la décision où le ministre avait demandé à ce que toutes les filières qui existent ici, qu'on ne part pas se former à l'extérieur. Aujourd'hui, le problème qui se pose à ce niveau, c'est quoi Il faut d'abord qu'on se demande quelle est la capacité d'accueil de nos universités publiques. Nous avons des universités publiques qui ne répondent plus en termes de capacité. Je vous prends l'exemple de l'université d'Ottawa où j'ai étudié. À l'université d'Ottawa, en, première année, on était plus de 1000. La plus grande amphithéâtre, du moins le plus était une, un amphithéâtre d'une capacité de 350 places. Imaginez comment 1000 personnes peuvent faire cours dans un amphithéâtre de 350 places. Ton nom Abdul Razak Donc, euh, nous remercions Sunana Mayana Suleiman, ni chef service communication à ANAB. Euh, naja abun da dan uwana ya hodi, amma mutuna ANAB batta ba Bourse. ANAB tana tsara yanda wanda ya aiki a lise zai samu bourse In ka da dis ba mu ba kai ka zo da kayanka a goma nan da ita ya kamata ka samu a hidda wannan ba ba da merci beaucoup eh moi je, <laughs> je veux réagir eh, uh-huh. pour euh, l'interview du ministre uh-huh. parce que eh, c'est un discours c'est son point de vue uh-huh. ça peut être subjectif et aujourd'hui eh, ça va un peu mourenter parce qu'il a parlé de jeunes étudiants ou bien certains de nos camarades et qui arrivent à, faire un choix par exemple qui qui, qui cadre pas qui concorde pas avec la réalité du pays. Par exemple, un domaine où ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, est-ce que, et, par exemple, c'est un ministre, il est le gouvernement, est-ce que là-bas, il y a une référence Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à avoir un bon modèle. Aujourd'hui, quand vous prenez l'actualité, nous sommes dans un état d'insécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministre de la Défense, il a une expérience qui va lui permettre d'occuper le de la défense Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le ministre de la Communication, est-ce qu'il a un diplôme intitulé qui va lui permettre de gérer le ministère Donc, etc. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui, le problème qui est en train de se développer par rapport au problème du filaire ou du choix, ou bien le système l'enseignement supérieur de façon générale, le gouvernement n'est pas en train de prendre les choses au sérieux. Aujourd'hui, quand ils prennent cette réalité, leurs fils ne sont pas avec nous en train d'étudier. Du coup, en aucun cas, elle ne peut pas prendre les problèmes au sérieux parce que pour faire connaître les problèmes, il faut être sur le terrain. Donc je pense que c'est de parler au sérieux créer les conditions et de, de, de, permettre donc aux scolaires de façon générale de, de, de comprendre, de, cerner, de, STEM et mettre les conditions parce que tant que les conditions ne sont pas favorables, ça sera difficile. Ah bah, tu es obligé d'abandonner. Ah, hein. Tu vas abandonner, tu n'as pas le choix d'abandonner. Donc voilà par rapport à ça ce que je peux augmenter. Moi j'ai une question pour lui. Ma question est si le ministre et l'ANA pense qu'il y a des filières qui ne sont pas utiles au Niger. On n'a pas dit qu'elles ne sont pas utiles. Ok, pour le moment. Donc pourquoi. Ok, ok, pour le moment, ces filières ne sont pas utiles. Pourquoi accepter les bourses alors Pourquoi les accepter Ce que je dis, genre, tout récemment, l'Algérie a donné une centaine de bourses. La Chine a donné une vingtaine de bourses de coopération, à part les bourses diplomatiques et autres. Dans ces bourses, il y a des filières qui ne sont pas pour le moment utiles au Niger. Pourquoi ne pas demander de les changer et de donner des bourses qui sont utiles Pourquoi hmm. Bon, voilà. Donc, euh, c'est simple. Vous savez, nous, là où nous sommes là, hmm. on n'a pas une partie prise, hein. rien que la vérité. c'est pour ça Donc, euh, par exemple, est-ce que tu peux me donner hmm. euh, quelques exemples des filières qui ne sont pas utiles, à ton avis Moi, je ne sais pas. Je suis un étudiant. Je ne peux pas dire que cette filière n'est pas utile. Moi, je n'ai pas dit qu'elles ne sont pas utiles. Pour le moment, quoi. Je dis vraiment, venez, pour le, le moment, on a besoin plus de médecins, plus des enseignants, plus des agronomes, en tout cas, plus des autres là en tout cas, que certaines, euh, certaines filières. Après ça, là, mm. <laughs> quand on est agronome, quand on est médecin, est-ce que forcément on va avoir un boulot tout de suite Ça aussi, c'est. Ah, boulot, tu auras. Ah. Sauf si peut-être euh, euh, la rémunération. mais boulot là tu kana quand mm. Yo ko nan a kai tu mets une plaque kawai mai dessin

Et puis c'est gérable amma yanzu kai ka wani shin ko ka wani wani france ko wani pologne ko wani quand ça, ça se complique c'est difficile à gérer se basant sur sa propre mésaventure Idriss Abdoulawali un jeune nigérien vivant en France aujourd'hui ingénieur dans la compagnie Airbus a conçu une application d'un ya un un uwan shi bisa post bac en fait son objectif c'est de booster l'ambition des jeunes et de tous ceux qui ont envie d'étudier et de s'accomplir et en leur donnant les clés en fait pour réussir à euh, leurs rêves. Donc euh, comment est-ce qu'on procède parce que enfin l'application en elle-même elle est elle regroupe plusieurs rubriques. Donc euh, à savoir euh, choisir ma filière. Donc euh, cette rubrique en fait permet aux jeunes de pouvoir euh, découvrir les filières qui existent après les différents types de bacs. Par exemple, pour chaque filière, une description est présentée, un programme synthétique, des, les débouchés, mais aussi des exemples de parcours de personnes qui sont passées par cette filière-là. Il y a aussi un autre volet, un autre, une autre rubrique qui présente les procédures d'inscription dans différents pays où là, en fait, euh, on présente euh, les coûts de la vie, euh, comment ça se passe dans tel pays, quel est le système éducatif, que ce soit anglophone et, ou francophone. Et par exemple, pour la France, Karatu Postbac permet aux jeunes même de contacter les associations qui, des Nigériens, par exemple, dans toutes les villes de la France talman <clears throat> lokacin da yake yana yaman filiyar kinshi da menene ya matsu yanzu ga abin da ya kirkira nan kamar in kai kilike kilki daya yana gaya maka inda zaka wannan kasar in ka tahi ko anan Niger gashi nan inda ya kamata ka tahi in ka tahi kuma irin aikin da kake isa sala to maintenant on est à du numérique selon vous est-ce que est-ce que problème kin selon vous est-ce que problème kin ne se situe pas peut-être à ce niveau irwana wannan baka edo kan telephone kinka kai kilike ka samu information bisa kan abun vous y pensez vous avez pensé à comment où vous y travaillez muna da wani malamin mu na anab wani mushan mu na anab shi ma zai zo assalamu alaikum ya amsa wannan eh, alaikum salam eh, mun ji daɗi da wannan tambayar da kuka yi amma kun san in mutum ya gida akwai ka'idodin da yake sa anab aikin mu ba mu zaɓan mu ba yan lakwal ba inda za su nuha ne a'a mu tace mu gani wannan ya yi karatu ya samu ba eski ya cancanta ya samu burs shine aikinmu ina za ka zaɓa ba zan can ba ne ba akwai kungiya da aka kera ministry ya kera sabuwa tana can ministry ita ce direction general des orientation kun gane amma muna kwatanta musu ko ma ba yau ne ku yi hankali samun bak ba hutu bane ba lokacin nan ma za ku zanjane rigar ku ku zanjane wannan ku dan wahala tana gaba ina zan nufa wannan abin ku kula da shi muna so in cikin tsari ne ma a ce sensibilisation kin nan da an fara lakwal mun halata saboda yara san abin da ke jini. Fintan kamar an ku gane eh. malaman na anabu biyu ne <laughs> eh kuma abin da nake son kare mhm. shi dan adam diya yana kai ba kai mai daidai ne wallahi yau in an ka ce za orientan kowa a ce baka da incin ka ta kai karatu inda kake so ita za ta orienta ka za ka mutane kowa ganin ya kai ba demokrasi ba ne ake an matse shi za ka ga abun da matsatsi ina gaya muku tunda an ka ce kunne ya girmi kaka Mhm. akwai wanda ya gaya mi yace ce sa'an da lokacin kunce kin san kunce shi lokacin shi ne wani NSP wani école normal in kin ka kin gadi ba du les bons élèves su ake envoyer cikin su école normal mm. yace mi wallahi malgré la rigueur de kunce an samu parents d'élèves inda chief si son enfant ne va pas être enseignant mm, bai ya zuwa école normal bai ta ya eh, abunga gaskiya abun to kaga yan ce du alatil sai kun yi abu kaza sai kuma a koma ce a ah, yanzu ba demokrasi eh, ba yanzu ba demokrasi ba ake kuma ya ce muku ku tai ku yi karatu da kuma ku komo baya ku ce abin dan adam sai Allah donc <laughs> comme vous le savez Merci Monsieur Omoru pour ces éclaircissements. Comme vous le savez, dans tout ça, la fada, c'est aussi de la musique. Euh, on se pince juste après tes thèmes de Valley et Diamond Place Nous. I attend the tetem, oh mama tetem, tipo tipo tetem, oh mama tetem, I attend the tetem, oh mama tetem, shuka chini tetem, oh mama tetem. Tetema, yani kama umepigwa shoti. Tetema, ipe miganisho ya roboti. Tetema, ukutani hadi kwenye kochi. Tetema, kwenye giza mama shika tochi. Kataka kama noga, oh mama, kapandizi za Bukoba, oh mama, boda boda. choma mboga oh mama ai mama shigidi ah nakufa hoi wikidi ah ai mama shigidi ponki fire moto liquidi tetema oh mama tetema ayo liza kisha kime kime kime amewe ho kime kime kimempa kapangisha mizuka kime kime kimempa ruka kime kime kimempa kisha kime kime kimempa kapanda juu ya meza kime, kimempa eti anavua shati kime, kimempa kalewa anacheza après Tetema, retour euh, à la fada muna da abdul karim asumi shine ke karatu muna da umar salai shi kuma ofishin ke kula da alawus kin dalibai wanda suke taimaka musu bisa kan ci gaban karatunsu yana tare da mu kuma tare da muna da Muhammadin eh, shi kuma yana kungiyar ta jihar voila <laughs> cikin tamu ta da su muna so irin matsalolin da suke fuskanta bisa kan shuwakin jami'a da za su yi da irin karatun da za su yi justement sur les filières à l'extérieur <laughs> Abdulkarim Asumi tu connais un rayon tu, étudies en Chine. Au début, c'était, c'était comment Raconte-nous un peu ton aventure. Comment ça s'est passé <laughs> Mon aventure, bon, j'ai seulement décidé de quitter. Après, j'ai postulé. J'ai choisi le droit pour, la licence. Donc, ma première année, j'ai fait une année de langue chinoise et quatre. ah, ans. Oui. Ouais, ouais. Ah, donc, euh, <laughs> après. <laughs> quand même, quand même, tu dis que tu as fait un an de. Dis-nous bonjour. bonjour au moins. Bonjour, ok, Zhao Shanghao. Ah, là, t'es chaud, mais toi, tu comptes tu comptes pas revenir ici. Hein. Pourquoi pas J'aime mon <laughs> pays. <laughs> tu peux nous dire peut-être l'expérience s'il y a des pièges à éviter, tout ça là. Bon, les pièges, c'est juste en Chine, je ne sais pas dans notre pays, mais en Chine, si tu respectes les lois du pays et de l'université, il n'y aura aucun problème, sérieusement. Donc, euh, tout doucement, on s'achemine vers la fin de cette émission, spécialement pour la FADA, d'aujourd'hui, c'est la fleur de l'équipe euh, jeune Kalanguru qui qu'on reçoit pour la chronique. Un coucou à Olivier qui nous reçoit depuis Lomé. Ruki, comment ça va Ça va très bien. Salut, salut tout le monde, je vais très bien. Alors ce soir, c'est Ruki, hein, c'est pas Olivier. Olivier est en voyage et j'espère qu'il va nous amener de belles choses. Amis auditeurs et auditrices, bonsoir et bonne préparation de fête à tous où que vous nous recevez. Passez un excellent moment de fête. Ce soir, je prends la relève de mon ami Olivier et je vous parle du concours TEF qui est destiné aux jeunes africains. Ce concours est gratuit et accessible sur le site www tefconnect.com. Ensuite, je vous parlerai de l'appel du Damergou lancé par le feu général Seyni et bien sûr des opportunités d'emploi. Alors, Ruki, on commence par lequel Le concours TEF Bon, toi-même, tu sais, hein. moi, je préfère l'appel du Damergou. Comme cela, on passe du passé au présent. <laughs> Alors, Ruki, parle-nous de cet appel historique. Alors, le Damergou doit être sauvé et le Damergou sera sauvé. C'est un extrait du discours prononcé par le feu général seine Kounté en 1975, alors qu'il était chef de l'État. 44 ans après, dans le département de Tanout, des milliers d'arbres ont été plantés sur... Euh, 7542 hectares, ce qui a permis de récupérer 5521 hectares de terres dégradées dans cette partie de la région de Zender. Plusieurs années après, cette lutte a, continué. Actuellement, et le résultat est là avec les, gouvernement gouvernements qui se sont succédés. De 2011 à 2018, il y a eu des travaux de récupération des terres au niveau de, de, Tanout qui ont concerné 5500 21 hectares. Donc il y a eu des plantations en bloc de 7542,50 hectares et une production de plants de 375 000 plants sur cette période. Donc euh, il y a eu la fixation de 230 hectares et l'ensemencement de 5 521 hectares. C'était le, lieutenant-colonel Lawali Toumbay, directeur régional de l'environnement de Tanout, qui répondait aux questions de notre collègue Mokhtar Hamadou. Merci Rocky pour ce rétro et nous rappelons à nos amis jeunes que planter des arbres c'est mieux et surtout l'entretenir. Alors parlons du concours TF De quoi il s'agit Oui, le concours TF permet de sélectionner des jeunes afin qu'ils profitent d'un programme de coaching en business et leadership. Ceci pour donner plus de chances aux jeunes porteurs de projets qui ont besoin d'un appui financier non remboursable de pouvoir avoir un financement. Ce concours est organisé par la fondation du milliardaire Tony Emeloulou en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour le développement. Alors Rabi, si tu as un projet, c'est le moment de postuler. Ah oui, <laughs> ah ça c'est intéressant ça, qui Rappelle-nous le moyen d'y adhérer. Comment Rendez-vous sur le site euh, www.tfconnect.com. La date de clôture pour postuler au programme, c'est le 20 août 2019 à minuit, Inch'Allah. Euh, côté emploi, quelles sont les opportunités Côté emploi à Niamey, la coopération allemande GIZ recrute un conseiller technique appui au processus de transfert des compétences et des ressources pour servir au niveau de son programme PRODEC à Niamey pour un contrat à durée déterminée du diplôme du niveau master, donc bac plus 5 en décentralisation, administration territoriale et gestion des collectivités territoriales. Pour plus d'infos, euh, contactez le numéro 20 73 64 80. Vous pouvez aussi les contacter sur leur adresse email posef.internet.ne au plus tard le vendredi 23 août 2019 à 12h30 et dans la localité de Gotay, c'est la région de Tilaberi, l'ONG Marie Stops recrute un assistant communautaire qui sera chargé de la mise en œuvre des activités de mobilisation communautaire pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive, planification familiale, afin d'améliorer l'accès à la qualité des services de planification familiale au niveau des centres de santé intégrés CSI du district sanitaire de Gotay. Les dossiers de candidature comportant le CV détaillé et la lettre de motivation maximum deux pages expliquant comment les compétences et les expériences du candidat répondent aux exigences du poste doivent être reçues par courriel au plus tard le 16 août 2019 à partir de 17h à l'adresse suivante recrutement.niger.maristops.org. Oui, enfin, dans la région d'Agadez, il est recherché dans le cadre du programme bilatéral de la Croix-Rouge française en partenariat avec euh, la Croix-Rouge nigérienne deux chargés de suivi, évaluation et qualité pour une durée de six mois. Les dossiers de candidature doivent être déposés dans les bureaux de la Croix-Rouge française et nigérienne à Niamey, Agadez, Zender et la date limite du dépôt des dossiers est pour le 16 août 2019 à 12h00. Pour plus d'informations, contactez le bureau de la Croix-Rouge la plus proche. Merci Rocky pour ces excellents partages. On se dit euh, à plus. Merci, mais attends d'avoir, <laughs> avant de se quitter, euh, je vous euh, retenais ceci, une citation de Confucius qui dit ceci, ne vous souciez pas de ne pas être remarqué, cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. D'ici là, bonne soirée chez vous. C'était la Miss Rocky, notre chroniqueuse par intérim. <laughs> Donc, merci à nos chers invités. La question de la sensibilisation des jeunes bacheliers est cruciale, elle s'impose. Ils ont besoin de se sentir que bayan baki wannan menene za su yi ina ne ya kamata su ta yi don samu information kuma a bisa kan shuwa kin filiyar kin su ça sert à rien de se lancer sans savoir de quoi on a besoin c'est une grosse point d'interrogation qu'on va se poser in na qu'on wannan filiyar kin après wani aiki zan samu ina zan ta in samu wannan aikin lahin daɗi karewa kar ku shagala gobe sa ku haɗu da abokin aiki na di, on va voir les bourses comment l'obtenir cette bourse quel genre de bourse pour ci ou pour ça. de comment Donc n'oubliez pas de nous envoyer vos questions. Vous pouvez également recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. Kada kuma ce duka je shuraren mu suna iya samun shirye-shiryen mu kuma samu aiko mana tambayoyin su a bisa kallon mu ta WhatsApp 80 06 88 54 sai mun haɗu Aminu Kurabi mai Kano kuma barka da sallah da dukkan matasan da suke shuraren da suke tare da mu.